constater de vue euh, la position de Sénégal sa vision et ses réalisations. C'est vrai qu'il y a trop de bruit sur euh, le foncier euh, à, à et cela ne date pas de maintenant. Je pense que depuis peut-être 2007-2006, ce conflit revient toujours à cause peut-être de la distribution des terres aux ayants droit, comme je puisse les appeler. Parce que toute personne ou toute entité qui reçoit ici quand même du foncier le reçoit de façon légale où c'est la communauté rurale ou la commune qui délibère pour les affecter des terres. À notre arrivée ici à Amban en 2008-2009, nous avons eu quand même à bénéficier de 5000 hectares de terres que nous avons mis en, exploitation depuis lors. Et nous sommes allés un peu plus loin même à un moment donné. Nous avons restitué à la commune euh, pratiquement 3000, terres, 3000 euh, hectares de terres euh, sur la demande du maire actuel, Dembelso. Nous avons pu maintenant mettre à jour tout ce qui nous restait, et puis acquérir des peines et soins des ayants droit qui ont pu quand même nous fournir assez de terres qui permettent aujourd'hui à Sénèque India de disposer globalement de 4500 500 euh, hectares de terres dont les 3600 sont exploités et possèdent des titres de propriété, c'est-à-dire un bail émanant de l'État du Sénégal. Quand on parle de bail, c'est tout un process qui part quand même euh, de la direction des services techniques de l'État jusqu'à l'approbation, au titrage même par l'autorité compétente, le président de la République, qui te permet aujourd'hui de payer annuellement des taxes et redevances euh, à l'État du Sénégal. Et c'est cette terre que nous exploitons aujourd'hui pour permettre d'atteindre notre vision en termes de production agricole, que ce soit au niveau de l'oignon ou de la pomme de terre. Pour dire règle et vous confirmer qu'il n'y a pas d'accaparement de terre comme souvent les gens le disent. C'est vrai qu'il y a de petits conflits, mais tout ceci, euh, ça a été agrémenté par des contrats que nous avons signés avec les chefs de village, malgré l'affectation de ces terres, malgré les délibérations, malgré les titres de propriété, nous sommes toujours en partenariat avec ces populations, les villages, avec leurs chefs de village, les représentants des jeunes, pour qu'ensemble nous puissions définir une politique commune qui permettrait aujourd'hui de la Sénégal India de vivre vraiment dans une ambiance tranquille. Ceci nous donne euh, une responsabilité quand même dans la souveraineté alimentaire au Sénégal. Au Sénégal, la pomme de terre, sa production démarre au mois d'octobre. Et d'octobre à janvier, souvent, nous, nous récoltons notre pomme de terre. Nous les conservons en chambre froide et nous commençons à commercialiser une partie. Cette partie tourne autour de 10 000, 15 000 tonnes. Après, le reste est mis en chambre froide parce que nous permettons à ces petits producteurs, à ces agro-business de pouvoir aussi commercialiser leur pomme de terre. Si vous regardez très bien euh, le circuit de commercialisation durant la qualité vous n'avez pas vu la pomme de terre et l'oignon euh, sur le marché sénégalais. Parce que pendant ce temps, nous avons fermé boutique pour permettre aux autres. Mais aujourd'hui que euh, les petits producteurs ont, utilisé, euh, usé de leur stock, il nous appartient maintenant, nous, d'alimenter ce marché. Et tout ça se fait en coordination avec l'Agence de régulation des marchés. Parce que c'est eux-mêmes qui fixent, euh, avec un gentleman agreement, hein, toutes les conditions de commercialisation. Et les prix, aujourd'hui, en tout cas, nous, au niveau de Sénégal, nous de Swami Agri, les prix que nous vendons tournent autour de 9750 francs le sac Borchamp. Donc s'il y a maintenant des spéculations, cela ne provient pas de nous. S'il y a des manquements sur le terrain, vous voyez, depuis ce matin, les camions sont en train de charger et de transporter dans divers horizons du Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal. Parce que nous avons une consommation qui permet, au-delà de la tabaski, de contenir le marché sénégalais au moins pendant six mois ou sept mois. Ouais, bon, maintenant, les gens peuvent raconter n'importe quoi sur euh, Swami Agri. Mais Swami Agri, c'est une entreprise purement sénégalaise, de droit sénégalais. Ou pratiquement c'est des Sénégalais qui en assurent la direction. kon nag fii rek la fi soxla jàmm lañu fi bëgg noo sante borom projet bi noo sante population bi ci and noo sante Moussa monsieur Doy ndax lu yingu fi ci ciomu ñew ñëw waxtaan du def force du dorle du op dole négocier ba nga xamné ne day nekk ci un niveau. wakuma pour mu nekk de dama ko ak suma diggante ak yalla suma tiray bammel dañu doon toog amuñu dara ba tool bi ñëw sunu xale yi nga xam ne dañu doon dem si àll bi dem ci taxawal dañ doon ñëw ba ñu ngay liggéey ku ñu wax yokkal da nga doon def waaye ku deful du ko wax yokkal fukki at ak juróom maa ngi fii si biir tool bi ma nak alfaso amoon naa mille sept cent cinquante mooy doon xëy fii ci si jigéen ñi bokkul ak góor ñi tool mi kese bokkul ak góor ñi jigéen kese jàmmal kese la ñuy ñaan si biir réew mi ndax tool bi mu ngi dox normal comme ni mu war a doxee nit ñaa liggéey normal comme ni ñu war a liggéeyee ndax ñun suñu forage presque mu ngi mel ne ñoom ñoo ko yore lu ci am problème ñoom ñoo koy réparé e léegi nag ñu ngi li sant société bi bu baax a baax wàllu liggéey bi moom alhamdulilah rabil alamin ñu ngi si commencé gis suñu bopp bu baax a baax là derrière nous avons une chambre froide qui abrite euh, de 14 000 tonnes de, de semences et euh, pourquoi je précise ça c'est que ces semences là sont destinées donc aux producteurs aux producteurs voilà, aux producteurs locaux qui sont au niveau de, la zone des Niaï, euh, avec qui donc, nous avons un modèle de partenariat donc, qui, est apprécié donc, euh, par l'État. Donc euh, ces semences sont appréciées donc, à travers la qualité qu'on a, vu au niveau de, la production. Juste pour dire que Soami Agri aujourd'hui, avec un modèle très reconnu avec, avec l'État, donc, a su satisfaire le besoin en, en semences Rien que pour la campagne, euh, la campagne euh, précédente, nous avons injecté plus de 250 tonnes au niveau de la zone des Niaï. Mais juste pour vous dire que donc, euh, ces semences ont une importance capitale dans la mesure où ça permet au, à l'État de diminuer le coût, le coût d'importation des, semences. Donc certains commerçants déclarent la rareté de la produit du pomme de terre. Donc ce que vous avez constaté au niveau des chambres froides, je pense qu'il y a assez de stocks disponibles donc, euh, à commercialiser ici au niveau du pays pour que euh, la fête de Tabaski puisse être passée donc, dans, les, dans les meilleures conditions, sans que ce produit ne puisse, ne puisse manquer, parce que nous disposons assez de stocks, à peu près près de 80 000 tonnes disponibles au niveau des, chambres froides destinées à la consommation des Sénégalais. Donc les spéculations que nous avons entendues par rapport à certains euh, commerçants, donc c'est je peux dire que tel n'est pas le cas. Donc les Sénégalais n'ont pas à s'inquiéter par rapport à ça. Donc il y aura euh, sur le marché assez de pommes de terre pour couvrir leurs besoins durant ces événements à venir. Pareil pour l'oignon. Euh, actuellement, même l'oignon, parce que ce n'est pas un produit qui est, qui est rare, parce qu'il y a assez de, euh, de production au niveau des, commerçants au niveau local. Donc voilà, nous aussi, nous avons une quantité vraiment assez importante pour la distribution au niveau euh, de la fête de, Tabaski. Donc, euh, il n'y aura pas de produits donc, euh, concernant l'oignon et la pomme de terre. Donc, je pense qu'on en aura assez pour couvrir le besoin des Sénégalais.